nigérienne Nigérien, mes chers compatriotes, sur la fada l'artiste s'exprime. Et aujourd'hui, tous à la Fada, votre émission jeune nous recevons dans la rubrique euh, L'artiste s'exprime une fenêtre consacrée à nos artistes, une dame de fer. Pour ce nouveau numéro de cette semaine, la femme est au cœur des grands événements. Nous recevons sur l'artiste s'exprime une dame représentant un collectif qui commence à se faire connaître lentement, mais sûrement dans le paysage artistique et culturel au Niger. Nous les avons reçus une fois au grand complet sur l'artiste s'exprime. Vous vous rappelez certainement de ce collectif. Elles étaient venues à nous avec un message de paix, de cohésion sociale et d'unité par rapport à ces élections apaisées au Niger. Oui filles, oui artistes, oui régions, oui langues Vous vous rappelez certainement du collectif SONIGER Nous parlerons de l'artiste Nourat à titre personnel dans un premier temps et ensuite le collectif. La toute dernière sortie de SONIGER sur le deuxième angle. Nourat, la machine te souhaite la bienvenue. Silence dans nos écrits, silence au milieu de nos vers. Silence dans nos écrits, silence au milieu de nos vers. Silence, car je viens de là où nos différences se pèsent dans nos dires. Je viens de là où nos différences se font ressentir. Je viens de là où la différence anatomique nous amène de gauche à droite, en haut, en bas. En fait, je viens de là où je suis femme. Une femme, mais pas n'importe laquelle. Je viens de là où le sexe F se réduit à une marginalisation notoire. Je viens de là où la F connaît déjà sa place, pas une place de choix, mais une place de loi. Je viens de là où je suis rabaissée, divisé, déscolarisée, excisée, mutilée, de force mariée, violée, santé et quand ça va mal. Bien sûr, j'étais. La femme est une créature sacrée, elle est issue de la côte gauche de l'homme, près du cœur pour être aimée et sous le bras pour être protégée. Aujourd'hui, sur cette émission, je l'avais annoncé en sommaire, nous recevons une grande dame issue du collectif Soniger, mais elle est voulue aussi en carrière solo. Elle a opté pour le slam le slam Made in Niger, c'est de cela qu'il s'agit. Made by la femme, c'est de cela qu'il s'agit sur cette émission aujourd'hui. Nourat, personnellement, moi je te connais, mais les amis de la FADA veulent en savoir plus sur toi. Qui est véritablement Nourat Bon, je m'appelle Oumar Diego Nouratou, nom d'artiste euh, la Debo Slam. Je suis artiste slameuse, je suis nigérienne et étudiante. Ok artiste slameuse, j'ai fait mes recherches. Je suis tombé sur le collectif Plume du Sahel. Alors qu'est-ce que Plume du Sahel pour toi et pourquoi avoir choisi le slam comme discipline au sein de ce collectif D'accord. Euh, Plume du Sahel, c'est un collectif de slameurs. C'est un collectif de slameurs. Hein? aujourd'hui, Plume du Sahel a grandi, c'est devenu l'association Art Pluriel avec une branche SLAM qui est dirigée par Plume du Sahel. Nous avons aussi plusieurs branches, à savoir la branche formation en écriture aussi. Et pourquoi j'ai choisi le slam Parce que j'aimais beaucoup lire, sincèrement. J'aimais beaucoup lire. Mhm. Et depuis l'école primaire jusqu'au collège, quand il y avait les clubs culturels des écoles, là, on me donnait toujours la poésie. Et un temps, je me suis dit, et si j'écris vraiment mes, poésies Et c'est parti de là. De petit à petit, j'ai rencontré Isaac, qui est aujourd'hui mon, mon, manager. Et quand il a créé le collectif Plume du Sahel, il a appelé tous les slameurs, poètes, euh, pour quand on nous, ça soit des partages d'expériences. Et c'est parti de là aujourd'hui, <laughs> je suis slammeuse. Tu as commencé en quelle année En 2015. 2015, ça fait pratiquement 6 ans. 6 ans. Nous rap comment résumes-tu ta carrière depuis que tu as commencé à slammer Des hauts, des bas, des perspectives d'avenir Oui. Ok, nous Il y a eu des, hauts et des bas. Il y a eu un temps où j'ai même passé quelques temps sans slammer. Pourquoi euh, Les pressions familiales et les pressions académiques. Donc, euh, j'ai mis une pause. Mhm pour pouvoir euh, finir la licence à l'université. Tu sais que c'est pas Ça pas du tout chose facile. <laughs> Et puis donc, Missa les gars, banda. Oui, faut finir d'abord l'académie et après je suis revenu. Tout simplement, Nourat, nous sommes à la fin de la première partie. L'instant est solennel. Tu es artiste, on sait que c'est pas du tout facile d'être artiste. On y gère. Surtout artiste femme. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tout ce qui nous kiffe, pour qu'on puisse vous soutenir. Pourquoi M. Sam, M. Aram, bon préjugé hein, quoi. C'est important parce que cet espace est dédié spécialement à vous pour vous permettre de vous exprimer. Nous, la machine et les humains qui sont de l'autre côté, t'écoutes. Moi, je dis que être artiste, c'est un métier pour celui qui, le veut. Des fois, c'est une passion pour d'autres. Mais pour moi, c'est mon métier. Et tout métier doit être, doit être respecté. Être femme dans ce milieu, c'est pas du tout facile. Il y a les préjugés, il y a les, la pression familiale, les clichés. Les clichés. Mais c'est un métier comme tous les autres. On doit vous laisser quand même. Euh, Croyez en nous, encouragez-nous et on va foncer. C'était donc à l'instant que nous sur l'artiste s'exprime. L'angle 1, c'est-à-dire sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rime. La machine vous donne donc rendez-vous demain dimanche, même heure, même fréquence. Nous allons parler du collectif Soniger. Ça te dit Ouais. On va parler de votre dernière sortie. Ça te dit Ça me dit. la femme sera au cœur du deuxième angle. Sur ce, hey. இருப்பான்